studio Kalangou, il est 18h16 C'est l'heure du forum au micro Hamadou Moumouni. Bonsoir. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires à Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Zender, Tilabiri, Arlit, Filengi et Niamey. À la une de ce forum du lundi 20 juin 2016, la célébration de la Journée mondiale du réfugié le Haut Commissariat aux réfugiés en a recensé 50 millions dans le monde, mais ici à Niamey, ils sont 000, tous des Maliens. Ils disent vivre dans des conditions très difficiles, ce que confirme Benoît Mourinho du HCR Niger. Nous allons largement en parler. Conditions difficiles également pour les déplacés de la région de Difa. Après l'attaque de Bosso le 3 juin dernier, ils étaient des milliers de civils à se déplacer vers la ville de Difa et certains villages le long de la route nationale. Le calme étant revenu, certains commencent à rentrer chez eux. Le maire de Boussou nous fera le point. Les, examens du BEPC, c'est dans 48 heures cette année. Ils sont au total 120 000 candidats selon le directeur des examens des concours et de l'orientation. Amarzak Adam affirme par ailleurs que tout est fin prêt. prêt. Vous le suivrez, lui et le directeur du CG11 de Niamey. Oui, aujourd'hui 20 juin, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des réfugiés. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés HCR, ces réfugiés sont actuellement plus de 50 millions dans le monde, forcés de fuir leur pays à travers le monde à cause des guerres ou autres violations des droits de l'homme. Au Niger, près de 60 000 réfugiés maliens sont actuellement repartis dans les régions de Tawa, Tilabiri et Niamey. Une manifestation a été organisée ce matin par le HCR Niger à l'école d'Aressalam de Niamey pour rappeler à ces réfugiés qu'ils ont la sympathie des autres. Sympathie pour des gens qui vivent dans des conditions très difficiles, surtout les 5 000 de Niamey. Monsieur Bokoum, président des réfugiés maliens à Niamey, sur d'abord le sens de cette journée du 20 juin. L'histoire des réfugiés est internationalement reconnue. Tout le monde en souffre, tout le monde en pâtit. Il faut bien que les pays convergent à avoir une idée commune. Et puis, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Comment ça doit être cette fête euh, cette fête doit être euh, une fête agréable d'allégresse et de joie pour euh, les réfugiés, pour leur rappeler qu'ils ont des sympathisants, qu'ils ont des frères, des parents par-ci, par-là, dans les autres nations pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Bien qu'ils ne sont pas chez eux, ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés, ils ont des amis à travers le monde. Vous, êtes réfugié malien au Niger. Au Niger, vous êtes au nombre de combien Au Niger, euh, nous sommes plus de 55 000, répartis dans plusieurs camps le long de la frontière. Le camp d'Intezerit, le camp d'Intekan, le camp d'Abala, le camp de Manguézé, le camp d'Intabarebare et les réfugiés urbains à Niamey. Comment vous vivez c'est une longue histoire. Comment nous vivons Vraiment, la question est bien posée, surtout que c'est la journée des réfugiés où on doit rappeler exactement notre vie depuis qu'on est là. Depuis 2012, nous sommes là, nous avons fui la guerre, les groupes armés. Nous avons cherché une terre d'asile, une terre où il faut être sécurisé, avec une partie de nos familles, parce qu'il n'est pas facile à quelqu'un de décamper, qui est né dans un milieu jusqu'à 50 ans, 60 ans, décamper et partir, avec tout ce qu'il a, surtout que les infrastructures et les moyens ne s'y apprêtent même pas on est parti avec un minimum. D'autres qui sont allés dans des zones qu'ils connaissent, les zones de l'élevage, les canches que je viens de dire, et d'autres qui sont allés dans des lieux où ils croient qu'ils peuvent sécuriser leurs enfants, des enfants, des élèves, où il faut, euh, qui sont au lycée, qui sont à l'université, il faut les amener quelque part pour essayer de continuer leur cursus universitaire. Et c'est ce qui a, fait le choix de Niamey. On a choisi Niamey parce que c'est tout près, c'est à 300 km, 350 km de Menaka par exemple, d'où je viens. Et on est arrivé ici, ça fait quatre ans, je sais pas, quatre jours, on est embourbé. Embourbé comme un véhicule dans la boue. Embourbé pourquoi Parce que depuis que nous sommes là, on n'a pas été prévu alimentairement par aucune structure officielle. Nous vivons sur des, des demandes, comme disent les Bambara, les Garibou, disent aussi les Djerma, les Garibou. Nous allons de famille en famille, de personnalité en personnalité, plaider nos causes, plaidoyer. C'est comme ça que nous vivons et nous sommes là. Une sorte de mendicité. Nous sommes même des mendiants. Oui, mais il y a des structures d'accueil. Vous avez été accueillis. il n'y en a pas. Il n'y a pas. On n'a pas vu de structure d'accueil. Il y a des petites ONG. Et ça, il faut dire qu'il faut enlever chapeau pour une seule ONG féminine ici à Niamey qui s'appelle Fondo. C'est une association de femmes qui travaille avec la diaconie en Allemagne et qui a supporté parmi nous au moins 200 familles chaque mois, chaque deux mois, chaque trois mois. Depuis qu'on est là, c'est la seule ONG qui a été constante avec nous. Il y a des structures comme le HCR et vous êtes là aujourd'hui, vous fêtez avec eux. Le HCR, j'ai dit qu'ils disent que dans leur enveloppe, on n'a pas prévu de l'alimentation pour les réfugiés urbains parce qu'ils ne sont pas campés. On n'est pas dans un camp. Et quelle est la situation de ceux qui sont dans le camp sont bien Ça, vraiment, je ne saurais le dire. Nous sommes, ils sont à 150 km de moi. Les enfants vont à l'école. On a une soi-disant bourse du HCR pour les enfants scolarisés de 27 500 francs par an. Et cette bourse aussi connaît des problèmes. Elle n'est jamais complète, elle n'est jamais entière. Mais les enfants vont à l'école tout de même Les enfants, ils vont à l'école. Parce que nous, nous avons tenu à ce que nos enfants partent à l'école. Le HCR a créé des écoles de seconde chance pour certains enfants, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas voulu aller aller à l'école au Mali. Ils ont créé deux, quelques classes. Pour eux, ça, c'est cette année, l'an dernier, cette année. Maintenant, euh, au point de vue médicaments, le HCR a choisi de nous apporter un appui en DCI à travers euh, l'ONG Qatar, le Croissant Rouge Qatari. Les produits qu'on appelle dénomination commune internationale, c'est les DCI, c'est-à-dire que les produits les moins chers de la planète. Aujourd'hui, c'est votre journée. S'il y a un message que vous devez livrer, qu'est-ce que vous allez dire euh, le message, d'accueil et aux populations de façon Le seul message que je dois livrer pour, pour ceux qui concernent les réfugiés qui vivent ici, on souhaite vivant que la situation s'améliore. Et si on ne peut pas l'améliorer, à l'impossible, l'île n'est tenue. De grâce que l'on mette les moyens pour nous faire repartir. Parce que chez nous, notre devise, la plus, la plus grande honte pour un Malien, c'est de mourir de famine. Je préfère mourir de cartouches maintenant, ayant vécu ce que j'ai vécu là, que de continuer à mendier, à mendier, à tendre le bras à des proches, à des parents, à des gens. Euh, c'est malheureux. Voilà, c'est malheureux. Le président des réfugiés maliens à Niamey, Moussis Bokoum, ce matin, euh, à l'école dar à l'occasion de la journée euh, mondiale des réfugiés qui est célébrée ce jour 20 juin. Un autre témoignage sur ces conditions difficiles des réfugiés, surtout ceux de Niamey, celui de Fanta Diara et les réfugiés à Niamey depuis 2012. Nous l'écoutons. On est là, on vit selon nos moyens, ce qu'on peut gagner. Et puis on fait la magicité, ce que le président a dit. On, sort, on cherche de quoi à manger. Les femmes travaillent chez les gens pour gagner de quoi à manger. Il y en a qui vont vendre des choses, les petites rachides et les beignets là pour gagner de quoi manger. vous faites quoi Vous ne ressemblez pas à euh, quelqu'un qui, souffre apparemment. Oh, vraiment, je souffre parce que je n'ai pas les moyens. Comment vous menez votre quotidien ah, Nous, on se débrouille. je suis une teinturière, je, je me débrouille sur la teinture. Quel est votre message aujourd'hui Ce que je veux dire, HR, vraiment, il n'a qu'à nous, mettre dans les conditions. Parce qu'on est là pour eux. Si ce n'est pas nous, HR n'est pas là. Vraiment, il n'a qu'à faire tout pour nous mettre dans les conditions. Surtout vers le vivre. La santé aussi. Ce qu'on nous donne là, c'est très peu. Vous avez les nouvelles du Mali Les nouvelles, chaque matin, on a les nouvelles du Mali. Il y a les radios, il y a les téléphones. Est-ce que vous êtes retourné là-bas une fois On part, on revient. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir On va retourner. Quand ah, Même si on gagne aujourd'hui, on va partir. Ils n'ont qu'à faire seulement les, bonnes choses, seulement on va rentrer. Tout de suite. Voilà, faire les bonnes choses. Madame Fantagiara, réfugiée urbaine à Niamey. Une autre catégorie de réfugiés, c'est celle des étudiants. Il y en a qui ont eu la chance d'avoir la bourse, la bourse du HCR. Parmi eux, Mohamed Moussa, il est le président du comité des étudiants du Haut Commissariat aux réfugiés du Niger. Moi, je viens du Kandabala. C'est de là-bas que j'ai eu la bourse du HR pour un cycle de trois ans ici au Niger. Donc, euh, pour le moment, euh, ma vie, euh, je l'amène Bien, ici, euh, ce qui m'a trop marqué dans ma vie au Niger, c'est que euh, je suis vraiment dans un pays euh, hospitalier, un pays d'accueil, parce que ici, je me sens comme si je suis chez moi. Comment vous menez votre quotidien Le quotidien, c'est en fonction de la bourse que les acheteurs m'octroient, et puis les frais de logement, comme ça, je me débrouille, euh, moi, en tant qu'étudiant, parce que les autres réfugiés, et c'est à part, parce qu'ils euh, se débrouillent pour vivre. Vous voyez, les HR euh, couvrent la partie sanitaire, mais à ce qui concerne la vie, souvent, il y a des dons qui tombent mais souvent ça tarde. Actuellement, je pense que ça, y a deux ans de cela, ces réfugiés n'ont pas reçu de dons. Dieu seul sait comment ils mènent leur vie. À la différence, nous les étudiants, on a un moyen de subsistance qui est notre bourse et puis euh, nos frais de, logement. Vous voyez Mais les autres réfugiés, vraiment, euh, comme je venais de le dire, hein, c'est difficile. C'est si difficile. Imagine euh, quelqu'un qui n'est pas chez soi. Imagine des gens qui n'ont pas d'autres activités parallèles, qui sont venus se réfugier dans un pays comme le Niger. La plupart, ils travaillent le, travail manœuvre, c'est-à-dire le travail manuel, c'est les hommes. Les femmes, euh, quelque part, j'ai vu des femmes réfugiées, euh, elles, vivent à travers, c'est-à-dire leurs filles. Par exemple, celles qui ont des, des jeunes filles, elles travaillent dans des familles nigériennes. Vous voyez elles amènent à manger. Et c'est ce repas-là que la famille partage. Si vous avez quelques filles, donc euh, ça, fait l'occasion. Donc ça, peut être deux ou trois plats pour la famille. Et puis ça va aller. Souvent aussi, il y a les baptêmes, les mariages. Les gens profitent, ils travaillent là-bas. Donc euh, de retour, souvent, ils gagnent quelque chose qui peut quand même faire euh, la moitié de la semaine. Il y a aussi les voisins, souvent par pitié euh, ils pensent vraiment qu'ils ont vraiment des familles de pauvres qui souffrent à côté d'eux. Et c'est comme ça que les réfugiés vivent ici à Niamey. Moi, j'étudie euh, à Niamey. Euh, je suis, étudiant en section GRH, licence à l'école des cadres. Donc, tant que les HR continuent de m'assister, je pense qu'il n'y a pas une raison pour moi de retourner au pays, puisque pour ça suffit. La bourse suffit Alhamdulillah par rapport aux autres parce que euh, c'est un acquis déjà. Euh, le HR euh, et ses partenaires veulent que nous soyons dans les mêmes conditions que les Nigériens. Et pour cette raison, la bourse elle est de 35 000 francs par mois. On a aussi les frais de logement qui sont de 25 000. Donc c'est ça qu'on jubile pour mener notre vie, pour gérer nos déplacements, pour gérer la question du logement et la nourriture. Voilà les témoignages de différentes catégories de réfugiés euh, maliens ou à Alors pour couronner le tout, nous avons approché le chargé des relations internationales du HCR, Benoît Mourinho, sur les interventions du HCR au Niger et le sens de cette journée mondiale du réfugié. Ce 20 juin euh, est décrété euh, journée mondiale des réfugiés, donc c'est un petit peu le moment de s'arrêter, de passer un temps avec les réfugiés, de passer un temps avec euh, les populations qui, euh, qui, les accueillent et se retrouver, discuter, échanger, euh, en oubliant un petit peu le quotidien. Alors c'est la, c'est la quatrième journée mondiale des réfugiés, malheureusement, qu'on fait avec les réfugiés maliens, parce que ça va faire plus de 4 ans qu'ils sont arrivés au Niger aujourd'hui. aujourd'hui, on fait ça dans une école à, à, Niamey, parce que c'est une école qui accueille beaucoup de, de, jeunes réfugiés. les réfugiés maliens à Niamey, on n'en parle pas souvent, mais ils sont quand même 5000, ils sont éparpillés aux quatre coins de la beaucoup n'ont pas trop d'espoir de rentrer euh, dans un futur proche. Donc c'est aussi une couche de réfugiés particulière parce que vous savez que Niamey est une ville très chère. Donc euh, pour, les réfugiés vulnérables, la vie à Niamey est assez délicate. Comment ils vivent justement alors au niveau du au niveau du HR, euh, il y a un appui autour de la santé, euh, de l'éducation et bien sûr euh, de la protection. Après il y a il y a tous des mécanismes de solidarité familiale ou communautaire ou par quartier qui existent. Donc beaucoup sont hébergés dans les concessions de familles nigériennes ou, ou, de parents. On a créé aussi un guichet unique, c'est qui, qui, se situe au niveau de Dar Salam, au pavé Dar Salam, et dont le but c'est que toutes les activités ou tous les supports que pourraient bénéficier à, les, les réfugiés dans un seul endroit, parce que les frais de taxi font que ça serait beaucoup de déplacements pour les réfugiés. Donc c'est un endroit où, où, les, réfugiés peuvent avoir réponse à leurs différents problèmes en, fonction de, du secteur. Oui, ils disent que les conditions sont difficiles. Les conditions sont difficiles. Hein. Niamey est une ville de plus en plus chère. Certes, il y a beaucoup de réfugiés qui ont pu reprendre une activité. Vous avez aussi beaucoup de réfugiés qui, n'ont pas d'activité. Euh, donc euh, supporter le coût de la ville quand vous n'avez pas une activité, c'est complexe. Mais heureusement encore qu'il a, qu'il y a cette forte solidarité qu'on retrouve à Niamey avec les populations réfugiées et qui est d'ailleurs une solidarité qu'on retrouve globalement dans les autres endroits où on, a des réfugiés au Niger. La situation est calme au Mali puisque la plupart c'est des réfugiés maliens. Pourquoi ils n'y retournent pas bon, La situation est calme. Euh, je ne sais pas si j'irai jusqu'à jusqu'à ça parce que quand on regarde les incidents euh, qu'il y a sur la bande frontalière, euh, c'est chaque semaine vous avez des incidents assez graves. donc ce qui fait que la tendance au, au retour se dessine pas vraiment on accueille aussi beaucoup de, nouvelles arrivées. On a des demandes de retour à l'approche aussi des élections locales au, Mali qu'on est en train euh, de traiter euh, progressivement. Mais on enregistre aussi des nouvelles personnes qui arrivent, qui sont souvent des ménages ruraux très vulnérables. On a aujourd'hui plus de 60 000 réfugiés maliens au Niger. Il y a un an, on en avait 51 euh, 000. Donc, on a cette augmentation de la population réfugiée malienne au Niger qui continue. Et pourquoi je, pense que c'est vraiment dû à l'insécurité sur, sur, sur, la bande euh, frontalière. aussi, euh, et des fois, il y a le, camp peut être une stratégie, une famille très vulnérable qui, pour des questions de sécurité, des fois ne peut pas aller faire paître son bétail, euh, se replie au Niger le temps de trouver un second souffle. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous faites pour eux les, conditions de vie pour les réfugiés maliens dans les camps et dans les zones d'accueil de, de Tawa sont, sont, sont bonnes. On a un taux de pauvreté qui se, qui se situe autour de 20-25%. Ce même taux de pauvreté, dans le Niger rural, il est à 45%. Donc, dire qu'on a un standard qui est très bon, mais aussi le problème, c'est qu'on a des standards qui sont dans les camps, qui sont des fois aussi peut-être sur certaines activités un peu plus au-dessus que ce qu'il y en a en dehors des camps. Donc, dans une logique aussi euh, d'intégration locale des réfugiés maliens, c'est comment maintenant, nous, dans nos programmes, et on a commencé à travailler ça depuis l'an dernier, euh, comment les réfugiés maliens rentrent dans les systèmes nationaux pour l'eau, pour la santé, pour l'éducation, ils y sont déjà aussi. Mais on veut aller plus loin et arriver à trouver cette équité entre réfugiés et population haute. Il y a de moins en moins de fonds, il faut qu'ils profitent à tout le monde. Et sur ça, on a un contexte d'accueil au Niger, encore une fois, qui est, qui, est, très favorable. Les autorités sont, avancent beaucoup sur ça avec nous. Les directions régionales de la santé, de l'hydraulique, de l'éducation, ce sont nos principaux partenaires maintenant. Avant, on travaillait avec beaucoup d'ONG, maintenant, on travaille directement avec les directions régionales. Donc, on est vraiment sur, sur, euh, sur la bonne voie. Est-ce que les enfants euh, euh, réfugiés maliens vont à l'école Ils vont à l'école et ils vont à l'école nigérienne. Et au Niger, à leur arrivée, les autorités nigériennes ont dit écoutez, au primaire, il faudrait que les enfants suivent le programme nigérien. Et c'était une très bonne chose pour créer de la mixité euh, sociale, pour aussi un moment où les ONG ou même euh, euh, UNICEF qui a dû sortir progressivement des camps pour des questions de fonds, comme tout le monde n'est pas là, au moins c'est très facile de renforcer les structures publiques, les écoles avoisinantes des camps, plutôt que de créer un système parallèle. Donc les enfants suivent l'école, on a un taux de scolarisation qui est plus élevé que ce qu'il était au Mali, ça aussi c'est quelque chose qui qui est intéressant. Donc sur ce niveau-là, tout va bien et même euh, les enfants peuvent après suivre l'école, mais ça, ça sera plus en fonction de leurs moyens, du collège euh, jusqu'à jusqu'à l'université, qui est accessible toujours pour eux. chaque année, la Journée mondiale des réfugiés a une a une thématique. Euh, aujourd'hui, c'est vivre ensemble avec les réfugiés cette année. Je pense que le, contexte du Niger se prête tout à fait à, ce slogan, avec cette forme de solidarité qui sont très très fortes. Je pense que le vivre ensemble, il est il, est présent, il est fort, et, et c'est ce qui permet de soulager les peines de tout le monde. Voilà, vous venez de suivre le chargé de relations extérieures du HCR Niger sur la situation des réfugiés maliens au Niger à l'occasion de la journée mondiale du réfugié. Après l'attaque meurtrière de Bousso le 3 juin dernier, des milliers de civils se sont déplacés de, de Bousso vers Difa et vers d'autres villages du long, le long de la route nationale de Difa. Vendredi, le ministre de l'Intérieur était sur place et il a demandé aux habitants de rentrer. Alors qu'est-ce qu'il en est réellement sur le terrain Selon le maire de Bousso, une vingtaine de déplacés sont déjà rentrés chez eux. Elhaj Bakou Mamadou est au micro de notre correspondant de la région, Adam Baboukarna. Depuis l'événement donc euh, du 3 juin, euh, effectivement, Bosso, il n'y a personne. Les gens donc ont déserté. Ils sont un peu partout. À Difa, à Kinjandi, à Ngangam, à Garimwazam, etc. combien on peut estimer la population de Bosso qui a bougé La population de Bosso qui a bougé, pour la population autochtone, on estime à 6 000. Mais il y a les réfugiés aussi qui étaient ensemble, donc euh, ça peut aller au-delà de 20 000 personnes. comment ils sont euh, entretenus pour le moment, Alhamdulillah, il y a beaucoup qui sont assistés parce qu'avec les ONG, les projets ici, avec le gouvernement, lorsqu'on avait discuté vraiment, Alhamdulillah, il y a beaucoup qui ont été assistés ici, ceux qui sont dans DIFA et aussi ceux qui sont là-bas sur la route de Lorsqu'on est parti à Bosso avec euh, le ministre ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, une vingtaine de personnes ont déjà regagné donc euh, Bosso. Alors comment ils sont pris en charge Alhamdulillah, ils, sont, seront encore pris en charge puisque le jour où on était parti, déjà nous avons donné donc des vivres à ceux qui sont sur place. Et maintenant, encore aussi, nous allons continuer à les assister. Est-ce qu'il y a un programme de rapatriement des gens de Bosso On avait discuté par rapport à ça. Et Dieu merci, il y a donc des bonnes volontés. Le député Ahmed Banamida nous a appuyé avec euh, des camions. Inch'Allah, dès demain, nous allons commencer à ramener nos gens là-bas. Bosso a besoin de quoi concrètement Avant, à Bosso, on n'avait pas le problème de réseau. Et maintenant, tous les réseaux sont détruits même au niveau du CSI, même si la population retourne, il n'y a plus de, médicaments. le problème d'eau, euh, vous voyez donc c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses quand même. en tant que maire de la commune, comment vous vous sentez si vous voyez Bosso avant les 3 jours et Bosso de Montana Oui, en tant que maire, effectivement, avant, d'abord, bien avant même, vous savez, qui euh, ne connaît pas la commune de Bosso, on n'avait pas le problème de recettes, on n'a aucun problème. Maintenant, avant, mais après l'événement du 3, effectivement, il y a tous les problèmes là. Les gens n'arrivent pas à cultiver, les gens n'arrivent pas à pêcher. Donc, ils sont là comme ça, il n'y a aucune activité. Vous avez pensé un jour que Bosso va se vider Non, jamais, on n'avait pas pensé. Donc, c'est Dieu qui a ramené ça comme ça. Alors, comment vous vous sentez maintenant Donc, pour le moment, alhamdulillah, déjà, donc, euh, nos FDS sont sur place. Donc, euh, déjà, le ministre nous a rassuré qu'Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. La population même a bien aimé retourner parce que ce sont eux qui aiment et eh, Maintenant, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, dès demain, nous allons les ramener. À vous entendre, il y a la sécurité pour que les gens se retournent chez eux Oui, effectivement, il y a la sécurité. Ils sont plus nombreux qu'avant même. Donc, euh, en tout cas, on ne craint pas pour ça. Ils sont partout là-bas. Alors, vous avez un appel, monsieur le maire Oui, l'appel que je vais lancer, vous savez, euh, déjà la population est en détresse, ils n'ont rien, et maintenant ils vont retourner. Je vais, l'appel que je lance, c'est à, l'endroit de nos partenaires, donc de vite secourir effectivement. Il y avait le CICR qui avait bien pris en charge ces gens. Maintenant, nous souhaitons que les autres partenaires aussi continuent à assister très bien la population qui est à Poisson. Le maire de Bousso, Alhaji Mamadou Bako, au micro de notre correspondant dans la région de Difa, Adam Baboukarna, sur la situation à Bousso, près de euh, plus de deux semaines après l'attaque meurtrière le 3 juin dernier. Niamey abritera du 23 au 24 juin prochain les travaux de la deuxième session ordinaire des ministres en charge des postes de télécommunications et des nouvelles technologies de l'information des pays de la CEDAO. En prélude à ces assises, les experts de la poste des pays de la dite communauté tiennent une réunion depuis ce matin au palais de congrès. Objectif, vulgariser et démocratiser l'accès à l'Internet dans l'espace CEDEAO, particulièrement pour les pays sans littoral qui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Des explications avec euh, l'expert de la Poste, Isouf Boubacar, au micro de Assoumana China. C'est relativement cher pour les trois pays par rapport donc aux autres 12 pays qui ont accès à la mer. Il y a les trois pays continentaux, notamment Niger, Mali, Burkina, comme je le disais tantôt. Au-delà des tarifs de l'Internet, de l'accès aux câbles sous-marins, l'opérateur qui ramène Internet au Niger est contraint de payer ce qu'on appelle le droit de passage d'un pays. Par exemple, ici, on a des liens avec les Bénin. Les Bénin a un accès aux câbles sous-marins. Maintenant, pour accéder à ces câbles, point d'atterrissage de ces câbles sous-marins, il faut non seulement payer les droits de passage, parce que l'infrastructure posée de Cotonou jusqu'à Malanville appartient au Bénin. Donc, il faut payer l'opérateur qui a développé ça parce qu'il a investi. Il faut lui donner quelque chose pour arriver au câble sous marin et accéder donc à, à l'Internet. Sur ces points-là qu'il faudrait débattre, essayer d'harmoniser les tarifs de sorte vraiment à ne plus défendre favoriser les pays qui sont vraiment sans littoral. Et qu'en est-il du roaming Oui, l'aspect roaming qui sera traité à ce niveau aussi, c'est une harmonisation des textes et un encadrement légal pour que vraiment le roaming soit uniformisé dans l'espace CDAO. C'est-à-dire d'un pays à un autre, les tarifs appliqués sont vraiment différents. Donc l'objectif poursuivi, c'est d'arriver vraiment à harmoniser à travers un cadre réglementaire les tarifs de roaming. Quand vous vous déplacez du Niger dans l'ensemble des 15 États, que les tarifs appliqués en termes des roaming soient les mêmes. Pour le moment, il y a dans des pays où c'est cher. Oui, bon, vraiment, eh, ça varie d'un pays à un autre. On peut le retrouver à 300, 400, jusqu'à 1000 francs dans certains pays. Si vous partez avec votre euh, numéro du Niger, suivant les pays, vraiment, c'est varié. Donc, on cherche vraiment euh, une aubaine pour tout harmoniser et rendre accessible euh, de façon uniforme sur tout l'espace CDR. On parle aussi du phénomène de la cybercriminalité. Est-ce que vous allez en parler La cybercriminalité, moi je préfère parler de cybersécurité parce que je suis sur la défensive. Donc cybersécurité, vraiment, c'est toute une démarche qui n'est jamais restée à l'est dans pareille rencontre. Donc à chaque fois que les occasions se présentent, quand même on traite. Les pays sont encouragés à développer ce qu'on appelle les CERT, Computer Emergency Response Team, ou bien les CERT, Computer Incidence Response donc c'est un dispositif que chaque pays va mettre de sorte à prendre en compte les incidences, les cyberattaques. Donc prise en charge s'entend depuis l'identification de l'attaque jusqu'au premier dispositif à mettre en place et les dispositions à prendre vraiment pour sécuriser les restes, bloquer l'attaque et puis essayer de traquer d'une part et vraiment redresser les systèmes informatiques donc qui seraient un peu endommagés ou éventuellement endommagés suite à l'éventuelle attaque. Quels sont les cas au Niger Bon, les cas, ils sont quotidiens. Prenez tout simplement les réguliers mails que les gens reçoivent tantôt on vous notifie que vous avez remporté un lot sur Internet et d'envoyer votre pièce d'identité. Vous l'envoyez, en fait, c'est pour faire un autre usage. Parce que la même personne va tenter de craquer votre mail ou vous demander de vous identifier. Sinon, votre boîte serrée fermée et vous risquez de lui donner tout ce qui lui permet d'avoir une même mise sur votre boîte mail. Et dès qu'il l'aura, en fait, c'est tous vos contacts qu'il va saisir par mail en se présentant, par exemple, comme étant en Côte d'Ivoire dans une réunion où il aurait perdu toutes ses pièces, et il est sans argent et qu'il doit libérer la chambre d'hôtel, il faut que vous lui envoyez rapidement de l'argent par Western Union. Déjà, initialement, il a votre pièce que vous avez envoyée parce qu'on vous a fait comprendre que vous avez gagné à la loterie. De l'autre côté, on vous a fait comprendre que votre boîte serait fermée, donc vous avez donné tout, donc il a une même mise. Donc, dès que ceux qui seront plus sensibles et réactifs envoient de l'argent par Western Union, avec la même pièce d'identité, ils récupèrent l'argent ni vu ni connu. Est-ce que c'est aussi utilisé pour euh, la traite ou le trafic des personnes Bon, trafic des personnes, vous savez, quand même, c'est pas quelque chose de très répandu chez nous. Mais quand même, euh, l'Internet, c'est un bien. Mais des esprits malins ou des personnes malveillantes peuvent vraiment en abuser pour en faire autre usage. Donc il n'y a pas un aspect négatif sur lequel on ne peut pas l'associer également le TIC. Euh, pour preuve, le sommet mondial euh, de la société d'information en 2015 a demandé de transposer l'usage des TIC dans l'ensemble des 14 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et les 14 objectifs de développement durable là, en fait, c'est tout ce qui sous-tend la vie sur Terre. Donc l'objectif, en fait, le TIC va pénétrer dans tout ce qu'on peut imaginer dans la vie de l'homme. Et si on peut la voir il y a toujours aussi l'autre côté négatif qui peut être développé où vraiment il faut rester sur les gardes en permanence. C'est une bataille ça, merci. Je vous remercie. Ah, je vous en prie. Issoufou Boubacar, expert de la Poste, il assiste à la réunion des experts en prélude aux travaux de la deuxième session ordinaire des ministres en charge des postes de télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication des pays membres de la CEDEAO. Samedi dernier, dans une déclaration qu'il a rendue publique, le syndicat des médecins, chirurgiens et dentistes du Niger, Symphamed, avait dénoncé le licenciement de 19 médecins nouvellement intégrés à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé publique. Ce licenciement fait suite à un arrêté du ministère de la Fonction publique en date du 9 mai dernier. Notre reporter, euh, notre reporter Mariam Diallo Kenda a rencontré ce matin l'un des médecins licenciés, Sharfo Bacharou Mahamadou, résident en médecine interne, quatrième année de spécialisation. Il s'indigne contre cette décision. C'était le mercredi 8 mai. Euh, j'étais à Guidaromji, au niveau du district. Et c'est comme ça que j'ai un ami m'a envoyé un message par WhatsApp comme quoi il y a un arrêté qui est sorti. Et dans cet arrêté, a dit que nous sommes 19 à être licenciés par la fonction publique pour refus de rejoindre nos postes. Qu'est-ce que vous avez ressenti Bon, au début, j'ai pas, pas crié parce que pour pour moi, en tant que euh, médecin qui est déjà à son niveau de son poste, pour moi, c'était bon, c'était une blague. Il a fallu qu'il m'envoie euh, l'image de l'arrêté, que je vois mon Ils n'ont pas tenu compte donc du fait qu'on soit sur le terrain déjà, ou bien il y a juste une volonté de nuisance euh, envers nous. Donc vous confirmez bel et bien que vous étiez euh, sur donc vos lieux de travail, vous étiez sur le terrain à vos postes Oui, ça je le confirme. J'étais à mon poste le 8. D'ailleurs, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais directement passé voir, c'était vers 8h15, 8h20, donc j'étais passé voir le, mon médecin chef. Je lui ai demandé s'il est au courant de l'histoire de licenciement. Il m'a confirmé que lui n'est au courant de rien, mais qu'il allait appeler au niveau de, la DRSP de Maradi pour savoir euh, ce qu'il en est. Et vous avez fait le retour euh, Oui, avant même qu'il les contacte, il y a déjà un camarade qui les a contactés et, ils l'ont confirmé que et euh, aussi ils ont appris ça. Donc avec cette déclaration du, du, qu'attendez-vous Du moins que déjà l'article sur lequel on a été licencié ne tient pas pour refus de rejoindre de son poste, alors même qu'on a déjà été à nos postes, puisque directement il y est en octobre 2015, et après les affectations en novembre, ils nous ont donné un ultimatum de rejoindre nos postes avant le 15 novembre. Ce qu'on a fait, évidemment, chacun de nous, tous les concernés, pratiquement, ont leur prise de service qui date de novembre. Après ça, il y a eu des négociations avec le ministère. D'ailleurs, dans des rencontres, c'était fin janvier, juste avant les élections, avec en présence du ministre de la Santé de l'ancien ministre de la Santé, Mano Agali. Donc, euh, suite à cela, il y a eu une décision qui a été prise. Le ministre euh, de l'époque, Mano Agali, a instruit le DRH et l'inspecteur euh, du travail pour que nos situations soient régularisées. Qu'entendez-vous par situation régularisée Quand vous parlez, j'ai l'impression qu'il y avait un préalable, un problème, c'était quoi Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, on était recrutés pendant qu'on était en formation. la plupart parmi nous sont soit en quatrième ou cinquième année de spécialisation, donc en fin de leur euh, spécialisation. Donc, suite à ça, après le recrutement, nous étions partis voir le ministère donc, de la Santé. Nous leur avons expliqué notre situation. Ils nous ont dit d'aller faire la prise de service et revenir pour qu'ils voient comment, dans quelles conditions on va régler ce problème. -là. Donc, c'est suite à ça, il y a eu des rencontres avec le ministres. et dans la dernière, il y avait le ministre, il y avait certains de nos anciens chercheurs, donc nos coordonnateurs. La dernière décision qui a été prise, c'est qu'on puisse être régularisé, qu'on nous permette de finir nos études et de regagner nos postes. C'était ça la décision qui a été prise. Et malheureusement, le, 28, le 28 avril, on atteint un communiqué que nous intimes de retourner à nos postes d'affectation avant les 5 mai. Et parce tous ceux qui sont sur la liste ont regagné leur poste avant les 5 mai. La preuve, c'est que chacun a l'attestation de, de reprise des services qui montre qu'il a été sur le terrain et qu'il a regagné son poste. Et pendant qu'on était à nos postes, donc on a appris cette nouvelle qu'on nous a licencié par un arrêté qui date du 9 alors qu'on était à nos postes avant même le 5. Pire, c'est que parmi les médecins qui étaient en formation, il y avait 32 en réalité dont 4 qui n'ont pas encore eu d'affectation. Donc, et la situation ne les concerne pas. Mais il y a 28 qui étaient dans la même situation que nous, qui ont suivi le même parcours que nous. D'ailleurs, il y en a avec qui on a quitté Namibia avant et on les a laissés ici pour regagner nos postes. Et malheureusement, quand l'arrêté est sorti du monde, on constate qu'il n'y a que 19 sur les 28 qui étaient licenciés. Quelle lecture faites-vous de cela Tout simplement, c'est une injustice. On pense que c'est une injustice. C'est-à-dire que le ministère, ou soit c'est le ministre, ou certains de ses collaborateurs cherche à nous nourrir tout simplement. Qu'est-ce que vous comptez faire Nous, avec toutes les preuves qu'on a, déjà, selon les règlements de la fonction publique, on ne peut pas licencier quelqu'un sans faire une mise à demeure. Et en plus de cela, le fait de dire que c'est le répit de rejoindre son poste la à personne ne tient pas puisque je viens de vous dire qu'on est déjà à nos postes quand euh, l'arrêté a été pris. Donc, vu ces éléments-là et les irrégularités aussi, euh, comment, puisqu'il y a une irrégularité dans les décisions, donc on pense que nous, on a raison on va continuer la liste et s'il faut arrêter tout, on va tout arrêter. Arrêter tout, c'est quoi Arrêter de travailler On arrête le travail, on va, les hôpitaux seront vidés. On demande juste un rétablissement d'un droit et un règlement juste de la question c'est tout. Sinon, vous allez en grève Sinon, on ira en grève. Vous avez un délai Un délai que vous donnez au ministère de la Santé Oui, on les a donné 48 heures. Donc, jusqu'au euh, lundi soir, s'il n'y a rien, le mardi, on prendra notre décision. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Docteur Charfo Bacharou Mahamadou, il fait partie des médecins licenciés par le ministère de la fonction publique le 9 mai dernier pour le moment, nous n'avons pas la version du ministère de la fonction publique et notre reporter a rencontré la directrice de cabinet du ministère de la Santé publique qui n'a pas voulu s'exprimer sur la question. Les examens du BEPC, c'est dans 48 heures sur l'ensemble du pays environ 120 000 candidats issus de l'enseignement traditionnel franco-arabe et des candidats libres vont passer euh, le test cette année. Alors, comment se préparent ces examens Pour en savoir, notre reporter Moutal Mamadou a rencontré ce matin le directeur du CG11 de Niamey qui lui a confirmé que tout est fin prêt. Tatangal Ousmane que je vous propose de suivre. Nous, nous pensons à notre niveau que les candidats sont prêts pour affronter les examens du PPC 2016. Il est important de souligner que l'année scolaire 2015-2016 a été entanchée de grèves, tant des scolaires que des enseignants. Mais malgré tout, nos professeurs ont dispensé des cours de rattrapage. Seulement, il y a des moments où certains élèves ne viennent pas pour ce cours de rattrapage. Quand vous entendez les élèves dire qu'ils n'ont pas vu certaines matières, c'est qu'ils ne s'étaient pas présentés à les classes au moment des rattrapages et ils étaient informés de ces moments de rattrapage. Ça veut dire que l'élève qui n'a pas vu un certain nombre de disciplines n'a qu'à se plaindre de lui-même, de ne pas se plaindre de nos professeurs, parce qu'ils ont fait des sacrifices. Nous pensons que les élèves assidus aux cours, aux heures normales de cours et aux cours de rattrapage sont à jour pour affronter bel et bien les examens du BPC. Le véritable problème, c'est que beaucoup d'élèves n'ont pas la volonté de travailler. Les enseignants sont à l'école et les élèves souvent ne viennent pas. Et ça vraiment, c'est un casse-tête. Les temps ont changé. Au début, nous, on courait derrière les professeurs. Aujourd'hui, c'est les professeurs même qui veulent que les élèves viennent prendre cours et ils ne viennent pas. Je suis entièrement satisfait des prestations des collègues professeurs parce que ils ont fait un surpassement sur eux-mêmes. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour que les programmes soient terminés. Nous avons 515 candidats répartis dans huit classes. Nous leur souhaitons beaucoup de chance. Nous souhaitons qu'ils admettent tous, bien que c'est très difficile. C'est notre souhait le plus cher, car un enseignant, quand ses élèves réussissent, il est plus fier. Je dirais même que les parents même de l'élève. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des candidats et même de leurs parents, à l'endroit de leurs des élèves d'abord, c'est d'être assidus à l'école et de voir, de sous les raisons de toute grève avant d'aller en grève. Même si la structure USN fait grève, ils peuvent la soutenir pour un temps et venir faire leurs cours. Souvent, les doléances de l'université ne sont pas celles des collégiens ou des lycéens, mais il faut soutenir parce que c'est des camarades, mais il ne faut pas soutenir aveuglement. À l'endroit des parents, il faudrait qu'ils viennent à l'école, se renseigner sur le travail réel de leurs enfants, se renseigner sur le comportement de leurs enfants afin de redresser la barre avant que l'eau ne soit versée, comme on dit. Voilà le directeur du CG11, selon qui tout est fin prêt pour euh, le BPC dans les 48 heures euh, qui suivent. Tout est fin prêt, c'est également le maître mot du directeur des examens, de concours et de l'orientation euh, que notre reporter Railato Soumana a rencontré et Amarzak Adam a bien voulu donner des explications. Nous les suivons. Monsieur le directeur, euh, bientôt, ça va être euh, les examens du BEPC. Dites-nous à présent où en sont les préparatifs euh, de ces examens. Disons que la date, c'est dans deux jours, hein, c'est le 22. Donc, nous sommes vraiment prêts parce que tout ce qui est prévu a été fait à cette date. Qu'est-ce qui a été prévu Vous savez, l'organisation des examens se fait par étapes. La première d'abord, c'est la maîtrise des effectifs. Il faut savoir combien de candidats on a et c'est en fonction de ça que tout le reste va suivre. On va budgétiser toute l'organisation en rapport avec le nombre de candidats. Ce qui a été fait. Donc, les fournitures et matériels ont été mis en place. Les frais relatifs à l'organisation de ces examens-là en région ont été envoyés. Ils ont été même perçus dans toutes les régions. Donc euh, maintenant, il reste la mobilisation du personnel chargé vraiment d'administrer les épreuves aux élèves, donc les jurys, les centres, tout a été identifié. Donc maintenant, c'est au niveau régional que les jurys seront composés, les jurys d'examen et les jurys de correction. Tout cela est en train d'être fait, ou déjà fait, en tout cas dans certaines régions. Je sais qu'à Niamey, la décision a été déjà signée, donc il euh, n'y a aucun problème à ce niveau. Et ceux qui doivent se déplacer pour aller à l'intérieur Aujourd'hui, à l'avant-veille donc de ces examens-là, je sais qu'il y a plusieurs réunions qui se tiennent au niveau régional autour des directeurs régionaux et des missions de supervision qui ont été envoyées là-bas par la portion centrale. Donc il y a des réunions qui se tiennent en vue de très bien préparer ces examens-là pour qu'ils se passent bien. Donc, euh, comment ça va se passer euh, pour la région de Difa où c'est une zone de conflit Oui, c'est vrai que a priori, on pourrait dire qu'à Difa, les examens, ça va être un peu difficile, mais le problème, c'est la ville de Bosso. Je pense que ailleurs, il n'y a pas de problème. C'est au niveau de Bosso seulement bon. Heureusement, cette année, au niveau de Bosso, il y a un CEG à Bosso avec 72 élèves et un franco-arabe avec un effectif de 60 élèves, mais il n'y a pas de candidat au niveau de cette localité-là, au BPC. Donc, euh, c'est ailleurs que les examens vont se passer et non à Bosso. Dans tout le collège, il n'y a pas de classe de troisième. Il n'y a pas de classe de troisième, donc il n'y a pas de candidat. Inch'Allah, tout va bien se passer, puisque Ngigmi, mené dans les autres localités, à Difa même, c'est là-bas qu'il y a des candidats, donc toutes les dispositions ont été prises pour qu'ils composent. Est-ce qu'il y a des mesures euh, sécuritaires qui ont été prises pour ces centres d'examen En fait, oui, euh, c'est pas seulement DIFA. Hein. Dans toute l'étendue du territoire, les dispositions sécuritaires ont été prises. Au niveau de chaque centre d'examen, il y a des agents de sécurité qui sont chargés donc de sécuriser les lieux jusqu'à la fin des examens. Et vous comptabilisez les candidats au nombre de combien pour cette année Oui, cette année, nous avons 119 111 candidats répartis donc sur toute l'étendue du territoire. Donc il y a les candidats pour l'enseignement traditionnel, l'enseignement franco-arabe et les candidats libres. Donc euh, ça va être le même euh, dispositif euh, pour le premier tour et le deuxième tour. Oui, oui, oui ça va être la même chose. Il n'y a pas eu de changement. On avait voulu introduire la dictée cette année. Malheureusement, bon, les dispositions ne sont pas très bien prises pour cela, mais ça a été donc envoyé à l'année prochaine. Entre le premier tour et le deuxième tour, est-ce qu'il y a un intervalle de temps qui est défini Oui, après les épreuves écrites, il faut faire les anonymats. Donc les copies doivent être anonymées Ensuite, donc ça c'est à peu près deux jours. Il y aura aussi les corrections qui vont durer trois jours et les délibérations une journée, donc six jours à une semaine à peu près entre le premier tour et le second tour. Les épreuves du second groupe vont intervenir à partir du 2 et 3 juillet. Après ça, il y aura donc la délibération finale et la proclamation des résultats globaux. Je vous remercie. Le directeur des examens, des concours et de l'orientation sur les préparatifs des examens du BEPC, 120 000 candidats vont passer le test cette année. Amarzak Adam était interrogé par Rahila Toussoumana. Euh, alors, et ainsi s'achève ce forum. Nous nous retrouvons demain à la même heure et aux mêmes heures et aux mêmes fréquences. Bonne soirée.